les lendemains pour ce pays moi il est a graaw parce qu'aujourd'hui qu'est-ce qui se passe les gens n'osent plus même se parler correctement au téléphone da ngay wax ak eh, attention téléphone lañ téléphone yi c'est comme si on était chez Yaya jamais. deux Gambiens n'osaient pas parler entre eux on est dans cette situation et il faut qu'on se batte pour s'en débarrasser parce que l'homme est est tey de ci la démocratie est confisquée et tous les éléments aujourd'hui sont réunis pour dire que effectivement ça, ça renseigne ça renseigne limuy limuy woné moy man complot la japp ni moo ah. euh faut que noter li muy wax. man c'est très grave et je pense qu'il faudra répondre clairement et nettement à ça. man eh, non. non non non ah, laisse poursuivre mu neex On nga répondre lu la c'est une interpellation. mais non. on est il a écouté tout le monde mais dégloonte rek. man je prends toutes mes responsabilités dans cette affaire. lima japp moi, li li du début ba fiñ mais faire complot mais faire confiance à l'Assemblée qui est à la tête de l'Assemblée quelqu'un qui a fait tous les systèmes depuis 1960 tu perds même le fil de ce qui se passe des fois tu es à l'Assemblée tu dors quelqu'un qui dort à l'Assemblée on est tous témoins on sait que c'est des gens qui ne tiennent plus. Parce que aussi, ils ont l'obstacle de leur âge. Donc, yo, tu es d'accord que Sonko ne répond pas Non, d'accord, je ne fais pas partie de ceux qui croient mm. que warnadem mm. Parce que depuis le début, cette affaire est faussée. Mm. Cette affaire est faussée. Ah. Pourquoi dessaisir, effectivement Pourquoi dessaisir la gendarmerie de cette affaire et puis assemblée bi la gendarmerie a été dessaisie mm-hmm. c'est non non non je peux le démontrer devant le Sénégal c'est faux. non non non. je peux le démontrer c'est faux. bu la bu démontrer Sénégal dégluñu may ma ma démontrer ko. non Mais ma Mais déglu ma Mais birima bi ngay wax s'il te plaît bi ngay wax la. Euh, je te donnerai la parole pour ça puisque tu dis que tu peux démontrer ça. sànq bi mm-hmm. j'ai fait un effort d'élégance continue malal bañ laa tontu bañ duggu bala ñu naan dama yara di et cetera ni may waxe du non manu del del na y a pas de souci non non allez non lima ma moy hmm. ban assemblée lañ yor buñu kérok dañ fi wax ni affaire levée immunité parlementaire qu'est-ce que j'ai dit j'ai dit que c'est un non événement c'est un non événement xaj bi mat na kumba du information kumba matt na xaj bi information mhm. tay buñ ñu waxoon ni effectivement l'assemblée assemblée levewul immunité parlementaire su boba sénégalais yépp sénégalais il sax fa la ñuy jaaree parce que c'est c'est affaire la bo xamantene ne nit ñi ben yoon pourquoi on ne peut pas faire pourquoi on ne peut pas faire confiance à l'assemblée c'est vrai wax nga c'est le peuple qui fait confiance et qui élit moi fal nit ni mais nit ni bu ñu demee fi leen peuple bi fal ni len fa dañuy warok li len peuple bi yónni peuple bi dafa leen pour me représenter len fa mais bu ñu demee dañuy dem ñoom pour teewal fa ben doomu adama. c'est-à-dire moi je suis là pour faire plaisir au président de la République c'est ça c'est pourquoi qu'on parle de majorité mécanique quand Trump a voulu faire n'importe quoi aux États-Unis, au Sénat, il y a des partisans de Trump qui ont osé voter non. Mais la majorité a voté mais contre. Qui mais qui ont osé voter contre. Ouais, mais demandez, il y a des gens. Oui, ça n'a pas passé voter que partait de quoi D'appeler à 100%. Non, ça pas il y a quand même. C'est ça une majorité. Mais, demandez, mais il y a quand même ces partisans qui ont dit non. Mais il y a des partisans qui ont dit non. Mais demandez. Ah non, attends, non, non, Il y a des députés qui ont dit ah non. Dans cette affaire. Il y a toute une manipulation, on nous, lance sur Internet un communiqué, on dit que c'est Wad qui l'a fait. C'est Karim Wad qui l'a fait, c'est pas Wad. C'est tout à fait faux, c'est de la manipulation. C'est Karim Wad qui est là, qui va être président en passant par WhatsApp. Ah, qui l'a fait, c'est pas les autres qui l'ont, c'est pas Abdoulaye Wad. Respecte les militants de PDS, respecte le PDS. non, Amoul, ça, C'est-à-dire, dans ce pays-là, il faut qu'on arrête de comploter. Ce n'est même pas comploter contre Sonko on est en train de comploter contre les Sénégalais. On est en train de comploter contre les Sénégalais, c'est ce qui se passe. C'est ce li ma la résistance C'est la résistance comme les gens ni en 2012 ànduñook Maki, dit kenn mm. écoute on va résister contre cette forfaiture parce qu'il y a quelqu'un qui veut violer la constitution qui veut faire une dévolution monarchique nit ñu taxaw deret bobu ngay wax tu deret bi doon bañ mu touru mu touru parce que il y a eu treize personnes qui sont mortes dans cette affaire pour que Macky Sall arrive aujourd'hui au pouvoir Marie Macky Sall a été excellent excellemment bien élu par les Sénégalais nit ñi japp ci and ak mom xéxal ko warul war askan bi la responsabilité de Macky Sall c'est de bien gouverner ce pays là gouverner ce pays là parce que effectivement il a il a profité d'un lec. Mm. Il y a eu des générations et des générations qui se sont battues pour qu'aujourd'hui qu'ils puissent arriver au pouvoir. Pourquoi tu collabores avec lui Non, non, Pourquoi tu collabores avec son régime Pourquoi tu collabores avec son régime Il faut terminer. Bonne collaboration. Si tu regardes les yeux, pourquoi C'est quoi Qu'est-ce que tu appelles collaborer Birima, Birima, Birima. Birima, c'est bon. C'est bon. Travailler avec le ministère de la Je travaille avec tous les ministères et je l'assume moi les ministères ne sont pas. avec le régime. suis. avec les ministères. Les ministères. Les Sénégalais Les ministères ne sont pas les permanents de parti. Merci beaucoup. Eh, Il faut qu'on arrête. à toi. je voulais demander